Procédons donc au baptême de cette grande coalition Guadeloupe-Sénégal. Si nous voulons grande cette coalition, nous devrons lancer un appel en direction de tous les autres partis, de de la société civile, mais également des populations qui souhaitent tout simplement un changement dans la gouvernance locale. Nos collectivités locales, depuis 2014, ont traversé des moments difficiles, des moments qu'on peut qualifier même de catastrophiques également que cette coalition soit une coalition gagnante. Il nous faut dès à présent penser à travailler sur les différentes listes au niveau de l'ensemble des communes du Sénégal. Nous devons oublier nos partis et avoir comme seul objectif les personnes capables de nous faire gagner dans cette même localité. Je crois que si nous voulons que cette coalition soit gagnante, il faut que l'on fasse que tout ceux qui participent à ce que nous voulons soit bien traités. L'imam avoir oui, si nous allons dañoo am objectif bu tax ñu ànd sinon kenn ku nekk dangay demal sa loolu nag bu amee kenn ku nekk dangay am loo jàpp am loo fàtte waaye bu kenn bëggee jël yëpp bàyyi ñi ci def bu sotti li ñu def tey mooy li gën a yomb fi ñu jëm mooy acte de naissance coalition bi li ci jafe nag bari na de il faut que ñun dirigeants xam loolu waaye militants yi aussi xam ko mooy ñu fexe ba localité bu nekk senegal ñu teg fa équipe boo xam ni ni ñu bëgg coalition bi nekk une coalition gagnante mën a am loolu buñ ko defee.